Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Fanta suis à mes côtés Rabia Mekano pour la présentation. À la technique, c'est Mustapha Ayouba et Adam Adawaki à l'édition. Bonjour Rabi, comment tu vas ce matin Je vais bien Fanta et toi, ça va Ça va aussi, Alhamdulillah. Alors, c'est quoi le programme d'aujourd'hui Ce matin, comme d'habitude, il y aura le flash d'information, la page sport, une rubrique, hebdomadaire entrepreneuriat, sans oublier la revue de la presse à présenter chaque vendredi. Et dans la partie éco des régions, nous allons faire un tour à Adifa, la capitale du manga. Et dans la partie entretien du jour, nous découvrirons les activités d'une productrice de moringa de Jiratawa, une commune rurale située dans le département de Madaroufa, région de Maradi. Restez câblés. Accueillons ensemble Rafika Taher qui nous vient avec le flash d'information. Bonjour Rafika. Bonjour Rabi, bonjour Fanta. Bonjour Rafika. Alors euh, aujourd'hui, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie fête son premier anniversaire au pouvoir. À cette occasion, le chef de l'État, le général de brigade Tiani s'est adressé hier à la nation. Dans son message, il est revenu sur les quatre axes stratégiques du CNSP, notamment du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, de la promotion de la bonne gouvernance, du développement des bases de production et de l'accélération des réformes sociales. Le chef de l'État a également fait savoir l'adhésion forte de la population à l'élan imprimé le 26 juillet 2023 et le devoir de réussir l'œuvre de refondation ainsi voulue avec un engagement patriotique sans faille. Le président du CNSP a établi le bilan du premier anniversaire avant d'ajouter que notre marche vers la souveraineté, souveraineté pleine et entière est inexorable. Tous les marchés, kiosques et magasins seront fermés aujourd'hui à partir de 12h pour une participation massive aux manifestations entrant dans le cadre de la célébration du premier anniversaire sur les carrefours et les espaces publics. L'annonce a été faite hier par l'administrateur délégué de la ville de Niamey dans un communiqué. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou, a proclamé les résultats globaux du baccalauréat session 2024. Le taux global de réussite est de 33%, soit une amélioration d'un peu plus de 7 comparé, 7% comparé à l'année 2023. Il est de 31% pour les établissements publics, 39,8% pour les établissements privés et 21% pour les candidats libres. En proclamant ces résultats, le ministre de l'Enseignement supérieur a exhorté tous les acteurs du secteur de l'éducation en général de redoubler d'efforts pour donner les meilleurs d'eux-mêmes afin d'améliorer considérablement dans l'avenir les résultats des examens de fin d'année. Et voilà pour le flash de ce vendredi. Merci Rafika, bonne journée à toi. Merci Rabi. Alors, euh, chers auditeurs, dans quelques instants, nous suivrons un entretien réalisé à Jiratawa, dans la région de Maradi, sur la culture, la transformation et la commercialisation du moringa. Ça sera avec euh, Rabi Mahaman, présidente euh, d'un groupement de femmes transformatrices de moringa. Mais avant Fanta, nous allons passer à la playlist du jour. Et pour notre premier tour musical, nous allons rendre hommage à une grande figure de la musique traditionnelle nigérienne. Écoutons ensemble Sibo de Kakasi. Kakassi est née en 1936 à Kakassi, Terra. Elle est considérée comme une chanteuse de transition entre les airs traditionnels dont elle a gardé les mélodies et la musique dite moderne. Elle débute sa carrière en 1963 avec la chanson Tolok et Kirti Kirgi Kirutu. Voilà, et la, cantatrice Bouli a acquis la notoriété avec sa chanson Si qui dénonce les errements de la colonisation. Dans ses sons, elle décrit les exploits des Sibo, cet homme qui a tenu tête aux colons et à ses coups de fouet. Chers auditeurs, c'était si beau de Boulikakassi. Passons à présent à la première partie de l'entretien du jour. Depuis une dizaine d'années, Madame Rabi Mahaman s'est lancée dans la culture, la transformation la production du moringa. Une activité génératrice de revenus qu'elle a développée avec l'aide d'une trentaine de femmes qui l'assistent dans la préparation du moringa pour sa conservation et sa transformation en plusieurs produits dérivés. muke na kungiya muna sarrafa sarrafe basa kan moranga muna sarrafa moranga mu yi sashenta mu yi da hawa mu yi man shayi mu yi sabini mu yi yajanta ko muna yin spaghetti na moranga ko muna yin man zogale na moranga gaskiya basa kan moranga alhamdulillah mun gode ma Allah Allah kullu hala. mu dai nan garin jirata alhamdulillah tunda Allah ya mun falala ya man buɗe ba mu ranga ke ba mu ta zame mamu zilariyar manoma saboda alfananta ke da kanke kin zo ba labari aka baki ba ba ji ki kai ba zuwa ki kai kika ga ganin inda muke kasuwancin muranga duk mota da kika gani nan ne ya duk kan gani tan daga tisawa sabon mashi gidan rumi age ka duk ƙauyukan da kika sani nan tsakanin nan gabas yamma gusan arewa alhamdulillahi a ɗaya rana nan cikin jira ta mota hamsin tana iya ɗauka kaya ga keken gani ba labari aka baki ba ta hita kenan alhamdulillahi wannan icci da allah ya bamu gindi ne mai albarka to wani irin amfani ne ko sinadarai ne ke ga wannan zogala da kuke sarrafawa zogala tana maganin yunwa tana maganin talauci tunda mai zogale za a yi ba in ka ci abin da ka ci ta kare maka duk wasu bukatocinka ka ta da zogale ka sau shinkafa ka dafa gidanka ka ta ka tuka tuwon masara da zogale ka dafa gidanka ka ta ka sau nama da zogale ka dafa gidanka kenan kau mu ta zama mazilariyar manoma ina so in sani kamar cikin waka kungiyar taku Eh, mata nawa ne kuke aiki da su ya ne kuka tsara aikin naku na cikin kungiyar nan dai muna da kungiya uku ta kungiyar moranga muna da kungiya ta maza akwai ta mata akwai kungiya uku kenan cikin kungiyar mu talatin da hudu ne talatin da hudu nan da suka kumsa cikin su hudu Allah ya masa wa'adi kenan yanzu muna mu talatin kenan ba kan aikin kungiya wanda muka kumsa ayo in aka ce aikin kungiya za a yi mace goma muke warewa wadda za ta aiki na kungiya in muka wannan aiki na kungiya muka sarrafa kayayyaki abin da masaya suka zo muka saida in ba da muna da ramnan kasuwa ba da yake kasuwai wasu ne kan bata wasu tunda a yanzu in kika zo zo ki samu mai kyau wasu sai suna koke in suka sai wata zo ba ta ciwuwa to amma aikin ga ke da kanki kan ci waga mai kyawu ce kenan mu bisa muna gyara kayan mu gaskiya alhamdulillah mun gode ma Allah kenan a lokacin in tana tsada wadda muka sarrafa ba mu aje ta sai da ta muke in tana sauki mu sai da rabi mu aje rabi saboda abin da ta kara gaba za mu sai da kenan in sati ya wannan kunje in ta yi aiki kuma can kunje guda kuma mace goma ita za a samu kuma ta zo ita ma ta yi aiki ba sakan ka'ida ba san zuciya ba ganin lahanin juna aiki ne za a yi na tsakani da Allah na 'yancin kanka aikin kunshiya sati ne rada kake na sati na aikin kungiya nan ba kanaka yanzu abin da nake son ganewa kamar ita wannan zogala wannan 'yan maka cikin aikin naku na kungiya hada shifka ta kuke yi kuka kawai kai ku ta cikin gonaki kuna siyowa ku kuna tsiya kuna gyara ku har shifka ma kuna da kuna da gonakin ku na kanku muna da gonakan mu na kanmu muna shifka muna sauwa mu sarrafa muna shifka ta gonakan mu Chers auditeurs, vous venez de suivre la première partie de la rubrique Entretien. Avant de poursuivre, accueillons Nafisa de Moussirfo pour la revue de la presse. Bonjour Nafisa. Bonjour, Fanta, bonjour Rabia, bonjour à tous. Alors, un du CNSP, notre marche vers la souveraineté pleine et entière et inexorable, a déclaré le président du CNSP, le général de brigade Abdoulaye Tiani. En effet, Rabia, c'était hier euh, au cours de son adresse à la nation à l'occasion de l'anniversaire de l'arrivée du CNSP à la tête de l'État du Niger que le général Tiani a déclaré que c'est dans le cadre résolu de cette marche que s'inscrit une série de mesures préalables et actions prises par le CNSP pour asseoir mm. davantage notre souveraineté nationale. Il s'agit entre autres, je cite, de la dénonciation des accords de défense et de sécurité qui lient le Niger et la France, du renvoi de l'ambassadeur de France comme persona non grata, de la suspension des droits de diffusion au Niger de certains médias propagandistes français, du retrait du Niger et du Burkina du G5 Sahel ou encore de l'abrogation de la loi 2015 relative au trafic illicite des migrants. L'on note également le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CDAO, de la dénonciation aussi de l'accord militaire entre le Niger et le Bénin, ou encore la dénonciation de la convention fiscale entre le Niger et la France et la dénonciation de l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis. D'autres mesures comme la création de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF visent, elle, à assainir le climat socio-économique en rétablissant l'État et nos populations dans leur droit, a précisé le président Chani. Et selon toujours le président Chani, l'œuvre de reconstruction ne peut se faire qu'avec le concours de tous. Et c'est dans cette optique, je cite, que j'ai mis en place depuis plus de deux mois un comité technique chargé de faire la synthèse des contributions issues des assises inclusives régionales, d'organiser la tenue des assises de la diaspora et de proposer les modalités d'organisation en vue de la tenue prochaine du Forum inclusif national, a fait savoir le chef de l'État. Le journal en ligne Info nous apprend, je cite, L'afflux massif de femmes et d'enfants nigériens à Asamaka inquiète les humanitaires. Oui, selon Info, un afflux massif de femmes et d'enfants de nationalité nigérienne arrive à Asamaka au Niger depuis le début de la semaine, espérant pouvoir s'enregistrer au centre de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et ainsi bénéficier des kits réservés aux migrants. Ces personnes se retrouvent dans des conditions extrêmement précaires, laissant présager une crise humanitaire, rapporte à Info. Ces familles ajoutent la même source parlant majoritairement le Hausa, ont quitté diverses régions de l'intérieur du Nigeria pour rejoindre le centre de l'OIM à Asamaka après un passage par Agadeza et Arlita. Le centre de l'OIM ainsi que celui de Kopi à Asamaka peinent à répondre à la demande croissante d'enregistrement. Ces femmes et ces enfants sont prises en charge sans condamnés en train de mendier en ville, précise la même source. Un humanitaire qui s'est confié à Haïr Info prévient que plusieurs vagues de migrants sont attendues dans les jours à venir et face à l'afflux continu de ces nouveaux migrants, l'humanitaire a tiré la sonnette d'alarme nous avons décidé d'alerter nos supérieurs pour qu'ils soient au courant. Sinon, les responsables ou les autorités ne prennent pas des dispositions à temps, on va s'attendre à une autre crise ici à Asamaka. Les autorités nationales et même internationales doivent donc agir rapidement pour éviter une crise humanitaire. L'urgence donc est plus pressante que plusieurs vagues de femmes et enfants seraient en route vers Asamaka, ce qui pourrait augmenter les risques de souffrance et de mortalité si des mesures de soutien ne sont pas mises en place, conclut Aïranfo. Parlant éducation. Dans cette revue, un affichage avec la proclamation des résultats globaux du baccalauréat session 2024, un taux de réussite de 32,9% annoncé par le ministre de l'Enseignement supérieur, titre à la une le gouvernemental Le Sahel. Et oui, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, le professeur Mamadou Seydou, a déclaré le mercredi les résultats globaux officiels du baccalauréat pour cette année. Un taux de réussite de 32,9% est ainsi annoncé par le ministre un résultat nettement en hausse par rapport à celui de l'année 2023 qui est de 25,64%. Rappelons que cette année, les examens du baccalauréat se sont déroulés du 25 juin au 10 juillet 2024 et sur un total de plus de 87 000 candidats, seuls 84 228 se sont réellement présentés. Ils étaient repartis dans 216 centres d'examen avec 64 centres à Niamey. Le quotidien Le Sahel rapporte que le ministre de l'enseignement supérieur s'est réjoui de ce taux de réussite au baccalauréat de cette année qui a mis, selon lui, en lumière les défis actuels du système éducatif nigérien. C'est la fin de cette revue de presse. Bonne suite à vous. Merci bien, Afika. Bonne journée à toi. Voilà, après cette revue de presse, nous allons passer à la deuxième partie de notre entretien avec la culture, la transformation et la commercialisation du moringa, des activités qui ont considérablement changé la vie des femmes transformatrices de Jiratawa. Néanmoins, elles déplorent le manque de matériel performant qui leur permettrait d'accroître leur production. Les détails avec Rabi Mahama, la présidente de l'association. amma na mallake alhamdulillah yanzu gona waje ma ta noma na noman gero da dawa ina gaba na rasa wurin da ya kai takwas na wani kuma sai in ci alhamdulillah na na mahallin zama na na biyar aure kuma na masa diyan da ya kamata kuma wanda ya dawa ne ci in taimaka mai izinin allah ina taimaka mai mace mata da na nesa da na kusa su zo su ga aikin da muke su ma don su ji su ibe su kewa da sai kana tsugunni da a jira a baka kama a baka ka ba kanka bari yanzu da aka shigo lokaci a sa'an nan mace take gida namiji ya baro ta in ya zo abin da ya samu ne za ya kai mata ta ci kenan abin da kika gani ki ci in baki gani ba kina nan baki sai yadda za ki mai da dala ba ka ba amma a yanzu kamun namiji ya yi kai kayi bisa kan lakwal ɗin ɗiyanka su bisa su kana nan kana kulawa da abanka kenan ci gaba ya samu to yanzu wannan zogala da kuke sarrafawa kin yi zancen kuna spaghetti ta zogala kuna man zogala duka wannan abin da kuke yi a ina ne kuke kaiwa kuna da su mutane ne suke zuwa suna siye a nan kuma ku ne ke kaiwa kuna da wata kasuwa da kuke tafiya kuna kai kayan gana kur kuke sarrafawa kana muke sarrafawa proje alhamdulillah a basa haya yanzu in za a ta ya mai kayan gadi da kika sani proje an ta zo ta dauke mu za mu ta ya mai da su kuma mu yi kasuwa mai albarka kuma nan gida da wata sai in ta zo muna kawo su gidan gona mu bayi wani zaya ba wani labari za ka zuwa ka zo ka saya ka tahi tahiya za ka kyauta za kai sai kai ka sara ka ci riba akwai wata misiyan da ta zo daga dan isa da muka tana da kayan nan gaskiya mun yi kasuwa bakin gwalgwado saka ta mamaki saka sai kayan nan saka tai da su suka bugu waya suka ce suna su kuma muka sarrafa masu suka tahi mu kasuwa in ta zo ka ai bakin cikin dan uwa saboda in ka samu dan uwan ka samu dama ana son mu haɓaka kasuwar mu nan Nijar ƙasashen mu na Nijar da mu samu ci gaba kenan sai mu koya musu kuma ku ta can gaskiya kuma dan ku bunƙasa kasuwancin ku a ci gaba a bar zaman kashe wando to yanzu ko kuna da ko wata kungiya ko gwamnati akwai wani tallafi da ake kama muku wasu da suke kama muku ko ku kaɗai da kuke taɓa wani wata proje gaskiya ba saka wanga aiki da muke kin gaman gazancan da wurin shanya ta mamu ko maka kai wani koke ta mamu kaɗan kuma ga wata sabuwa can an ƙara yi mamu kuma har yaushe wata proje prodap ta gama mu da banki ta ce min hudda da ita saboda in aka zo aka ce an baka tallahi baka san yadda za ka yi ba da shi sai ga ga kawo kuɗin banza ne aka baka kana iya bata su amma sai a baka a baka talahi na ɗari a baka bashi na ɗari biyu saboda wannan jikka ɗari aka baka talahin ta sai ka ga banza ta zuma ba wahala ba kai amma an gama maka da bashi na ɗari biyu sai ka zo ka san inda za ka ka sarrafa ka mai da masa bashin su kai wanga talayi ka zanna kana nan kana sarrafa ka aiki to ko yanzu kuna da ko wasu matsalolin ku wanda kuke so a san da su eh. ko da kuke so a kama muku akan su eh kwarai ka gaskiya muna da matsaloli wanda muke son a kama mu sosai dari bisa ɗari yanzu inda muna ta yi o'in aka sako ruwa kayan mu lalacewa suke amma akwai kayan ga fano sonar kayan aiki na zamani akwai wasu abubuwa wanda ake yi kasashen waje wanda Gwadawa ke yin kayan su ɗanyu su sanya su cikin awoyi su bushe kenan muna bukata su kawo moringa ga man dafa ta cikin awoyi a ce moringa ba sai man kai ta ba man tashan wahala ta bushe kuma har yaushe wanga mai da muke yi na moringa da hannu ne muke yin shi ko muna son a ƙara yaɗa mu duk ko ina a samu mu sami 'yan kasuwa yau in ka ce ton kaza ka ce so na zogale akwai in ka ce mai kana son kaza akwai duk abin da kake so in ka zo kana iya samu Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Place à présent à la rubrique entrepreneuriat de ce vendredi qui nous amène à la rencontre de Aïssa Moumouni. Elle fait partie euh, des 139 jeunes filles et garçons ayant bénéficié d'une formation des petites activités génératrices de revenus de la commune urbaine d'Arlit. Aujourd'hui, elle possède sa propre entreprise où elle produit des bonbons à base de cacao. Notre correspondant Gungo Mohamed Antani s'est entretenu avec elle. On l'écoute. gaskiya wannan abu da aka koyar da mu mun karu kwarai da gaske idan za a yi shi miladin ina ake fara idan za a yi milo muna samun koko powder madara ic sugar chocolate flavor da bicarbonate abu guda biyar ka samu robarka tsabtatatta ka samu tamanka tsabtatacce ka samu muciyarka in ya so ka nemi koko powder in nan ka tankaɗe shi da kyau ka tankaɗe shi ka kawo madararka ita ma ka tankaɗa ta da kyau ka ga masu su cakulu su cakulu da kyau in sun cakulu in ya so ka kawo ic shuga ɗinka shi ma ka tankaɗe shi da kyau in ka tankaɗa shi shi ma ka cakula ka samu chocolate flavor ɗinka shi ma ka sa kaɗan ba da yawa ba shi ma sai ka cakula in ka cakula in ya so ka samo bicarbonate saboda shi bicarbonate in ka sha milo wata rana kana ji cikin kai na ɗan ciwo ciwo amma in ka ɗan ɗasa ɗan kaɗan daga ciki shi kenan baya sa ciwon ciki sha Allah. Yana ɗaukar lokaci nawa kamun ku kammala. Gaskiya minti ɗaya zuwa biyu ka'ida saboda shi ba yi an dafa sai an ɗora saman arisho haka ko wani abu a ƙasa ma kana iya yin abinka. To a jimilce kamar inda za ka sa ka yi shi yana kai kamar kimanin nawa. Eh to ina ga bai wuce ma jika uku. insha Allah. yanzu sai ki gaya muna wani unhwani zaki da wannan sana'a da kika koya. Gaskiya ni na koyar da ƙannina da ɗiya na har wanda yake so ma na kusa da ni ina iya koyar da shi saboda aiki ne wanda za mu ci moriyar shi a yanzu ma muna gab da cin moriyar shi saboda duk inda ka kai diplom ɗinka in na aikin hannu ne an san ka iya gaskiya ana baka yabo kware da gaskiya. gaskiya uwaye masu cewa C'était la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat avec Gungu Mohamed Dantani. Chers auditeurs, avant de continuer cette émission, nous allons souffler en musique. Et pour notre deuxième pause musicale, je vous propose le titre Qui s'est de Mamar no Voilà, après cette pause musicale, chers auditeurs, direction d'IFA pour l'écho des régions. Et nous vous proposons un entretien avec euh, Abakar Boukardi Nedifa, un jeune militaire âgé de 23 ans. Et il parvient à concilier son service militaire et sa passion pour la musique. Il partage son expérience et son parcours au micro de Guidi Abdraman. boso lade siyan mu babban yi jarumin maza bende na boso masa yi eh, soja ne kuma a cikin soja da yake akwai abin da nake yi tun gida gida ko in ce ma bcbil harkan waka a cikin soja in allah da na dauke ta hannu biyu kuma da ke dama da kayan aiki na lokacin da muka sauko ina abubuwa na kamar haka ya kai ka fara yin waƙoƙi da dai sauran suka kai wannan mataki ina tafiya nigeria ina bugu waƙoƙi na ina zuwa nya mai haka ana yin sai allah ya kai mu lokaci mai tsaho ina tunanin dizit ko 2019 sai akwai wani ɗan garin sai sai ce mun ai akwai wani ma mawaki a difa e wato marigayi a leba ko allah ji karre muka zo muka haɗu da shi muna yi muna yi to abin da ya dawo a jihar mu kamar a yanayin tahiyar wata irin waƙoƙi ne kake eh waƙoƙi ina yi na tallata haja tun gida gida kuma a cikin sojan mare kamar haka ne ko in ce waƙoƙi dai na bada moral haka da kuma na kwamfani kwamfani waƙoƙin sojoji ko tallata ma'aikata haka ko wani abu ana bani sosai ma a yanayin tafiyan waka wani bangare kake samun tallafi da yake ina son abin ni da kaina dai nake kokari har na haɗa kaya na wani kaina kenan ko in ce manzu dai zaman kaina nake yi kuma ganin hakan eh, akwai wanda suka yi kokarin jana a jiki insha Allah suka kawo ni kusa da su wanda dai ina tafiyar da al'amura na a haka insha Allah shine dai wani tallafi da na na samu babu wani kalubale a yanayin aikin ka dai kalubale haka dai guda ɗaya ne zan ce ma Eh, wanda na same shi tun baya eh, amma yanzu bai ma kamata a ce na faɗi shan mana tun da dai gaskiya abin da babu daɗi studio naka na kanka ne ko kuma wani gari kake studio na wani na kana yanzu ni a tare da ci gaba <laughs> to alhamdulillah da akwai kayan aiki amma dai ban ba kuma irin har kayan aiki wanda za a ce manya ne haka ba dan kasan kala kala ne da kuma amma insha Allah yanzu ana sa ran akwai wani aiki babba da aka ko insha Allah za a kama al'amarin sosai wannan yin waka kuma da ka gama shi da al'amuran iko bai ya kawo maka cikas cikin ta aikinka eh gaskiya baya kamun cikas tunda a cikin aikina da nake yi a cikin da nake furofice da lokacin da na samu nake yin waƙoƙi na insha Allah kafin authorization ta samu za a iya cewa wannan aikin wakan ya buɗa ma hanyoyi da yawa eh ba laifi gaskiya a cikin harkan waka an san kamar kayi wa waƙoƙi kamar guda nawa wallahi waƙoƙi na suna da yawa wanda ni na ce zan irga su ba zai yi ba wani irin kira za ka yi wa matasa musamman ma mawaka yan uwanka to wallahi dai a na farko zan yi kira ga mawaka mu na difa haɗin kai haɗin kai komai in babu haɗin kai baya tafiya kuma dole dole sai kun haɗa kanku ne za ku burge wani ya kama muku bai yiwa ne wannan ya ce zai kaza wannan ya ce zai kaza to ta ina mutum zai fara kama muku ba ku haɗa kanku to gaskiya haɗin kai dai shine babban matsalar Et tout de suite, euh, la page sport avec euh, Grouza Hasumi Karimou. Bonjour Grouza. Bonjour bonjour Fanta, bonjour euh, Rabi. Alors Grouza, l'équipe de l'Arewa FC s'est qualifiée pour regagner l'élite du football national lors du tournoi qui s'est déroulé à Tawa du 17 au 23 juillet 2024. oui, huit régions du pays ont participé à cette compétition et c'est l'équipe euh, d'Ariwa FC qui a représenté Dosso à ce rendez-vous. Après cette qualification à l'élite du foot nigérien, le président du club Ariwa FC en appelle à la population de l'Ariwa de soutenir cette équipe. Là, Seydou Al-Sodi Dambalga au micro de Aliou Bawa. mu dai wannan abu sai mu ce alheri na wanda ya zo dogon duci ta yi representan jihar doso a kwambala ta jiha takwas da an kai tawa kowace jiha ta kawo nata ekip dogon duce ita ta wakilci doso kuma allah ya ba mu sa'a mun samu wannan hawa tunda abinda ake ce ma hawa shine kana daidai kamar balo ta nan ƙasa kinan zaka hawa kai balo ta dn kinan zaka kuma balo ta ƙasa zaka buga balo ko ina duk jiha takwas sai an an buga balo na farko muna isar da godiyar mu ga 'yan balo na farko tunda su ne sun kai balo har Allah ya ba su sa'a sun ka sa wannan biyu wanda ya raba gardama abinda muke so kuma mu shaida mu yan arewa mun ɗauko zabuwa saboda ya ɗauko zabuwa saboda balo wadda aka ce mata dai eh, balo ce wanda ke tambaya abubuwa da yawa na farko tana tambayar dala saboda yawo ne za a yi yaran da za mu ɗauka za mu ɗauka su gudan shekara ana aiki da su kenan dole sai an nemi makamin ne sai kowa ya sa hannu saboda abin nan ya tsaye da kyawu waga da mun kai ta yi cikin shekara ba mu ci wata biyu muna balo amma waga da mun ka shigo yanzu ta shekara ce za a yi kenan ya kamata yan arewa duk inda suke su sa mana hannu su yadda mu kunya jahohi ko wani sha nan tsaye shina tallafa ma yan baluluka shi saboda abai ci gaba to abin da aka gare ne kira dai tun daga kulabu namu ya hau sama ya zamanto a ce mun yi abin da tura ke ce ma pepiniyar mun zabi 'yan lakwal mun zaɓi mazamna 'yan arewa yara wanda sun kasu ba kwallo eh, yarda sai mu ɗauke su su ma a fara tirnin kinsu shi zamanto muna dogon duce pepiniyar ta club junior kenan yara matasa su kama jikinsu balo abin yi ce na daidai motsa jiki ne sannan kuma da wancan waje kuma ka za ka samu umhani. to alhaji ko akwai wani kira a gaba kuma zuwa ga musamman yan arewa duka inda suke ganin cewa dogon duci muna da matsala hilin kwallo. ga hawa da mun kai ya kamata a ce muna da hilin mu namu wanda ya kamata a zuwa iske mu yi balo kenan yanzu ko an zo balo dole sai mun tashi da nan mukan kama dogon duci mun tai da su kenan muna kira yan arewa da wanda a ƙetare muna da yan balo ire-ire su sahabi mamman ire-ire su andre ire-iren duka su duka da a can turai da Allah dan annabi kuma da waɗanda annan da Allah su kama mana mu samu hilin kwallo wanda abisu bisa norm wanda in an ka zo balo a ce an zo balo tare da arewa FC Voilà, c'était là El Haji Seydou Also dit euh, d'Abalga au micro de Alio Bawa. À euh, Grouza, les Jeux Olympiques de Paris ont débuté et deux nouveaux sports font leur entrée dans la partie. Oui, Rabi, le breakdance et le kayak cross le breakdance est une discipline mêlée en art et en mouvement acrobatique. C'est un style de danse, en tout cas urbain, qui est né dans les ghettos aux États-Unis. Le kai, cross, est synonyme d'escalade. Bon, si Fanta et Rabi, en tout cas, peuvent escalader un mur, donc dans quelques années, le Niger aura deux représentantes. Mais il faut le dire que ces disciplines sont rares au Niger, mais vont être pratiquées dans la ville. En tout cas, le Niger n'est pas prêt de se présenter. Hein, Grâce ah, à vous deux. Ah oui. <laughs> Merci, Merci pour cette page sport, chers auditeurs. Oh, à bah. présent, place au portrait du jour. Et restons à Yamé pour ce portrait, pour découvrir le jeune Omar Samna, diplômé des trois niveaux d'études de l'ENA en administration générale qui a fait de la décoration sa passion. Voici son portrait avec Samira Rouafi. Célibataire, âgé de 28 ans, c'est avec le sourire qu'il nous ouvre les portes de sa maison où il coordonne les activités de son entreprise en attendant d'avoir un local. Lui, c'est Omar Samna, un jeune Nigérien fraîchement diplômé en administration générale de l'École nationale d'administration du Niger. Omar trouve son bonheur dans la décoration car depuis le début de ses études supérieures, il est chargé des affaires culturelles et sportives à l'ENA. C'est pendant son cursus que l'idée d'entreprendre dans la décoration événementielle lui est venue. Eh bien bon, la décoration, c'est quelque chose euh, vraiment dans laquelle je est vrai, je peux dire, et dans le cadre scolaire. À chaque fois qu'on me donne ce genre de responsabilité, donc euh, j'ai toujours été une personne qui prend en compte tous les détails en fait. Et à part ça, j'ai assisté en fait plusieurs artistes dans leur tournage de clips et autres. Donc tout ça m'a vraiment motivé à aller un peu vers la, la décoration. Ce qui fait la fierté du jeune entrepreneur, à part le fait de pouvoir subvenir à ses besoins grâce à ce travail, c'est d'arriver à créer de l'emploi grâce à son entreprise Perfect Decoration. À ce jour, il a 4 salariés et fait appel à une dizaine de personnes en cas de plusieurs sollicitations. Aujourd'hui, tant que on arrive à créer des emplois et tout, moi je dirais que c'est déjà une très bonne chose. Parce que pour moi, c'est donc ce qui veut dire que c'est déjà bon en fait. Et aujourd'hui, grâce à moi, il y a déjà 4 eh, personnes qui sont payés par mois, vous voyez un peu. Et il y a d'autres personnes qu'on appelle et en cas d'activité, donc vous voyez un peu. Donc euh, c'est, moi je dirais que c'est déjà une bonne chose. Et vraiment côté personnel aussi, il y a une très grande progression. Idriss Zakari Samna, frère d'Omar, dit apprécier le choix du métier de son frère, car c'est un domaine porteur ces dernières années dans la capitale. Parce que toute chose, il faut d'abord commencer, voir comment est-ce que ça va donner. C'est comme ça il a commencé les choses jusqu'à maintenant, ça va. Vraiment, il a choisi un, un domaine vraiment très rentable de nos jours parce qu'avec les cérémonies et autres, vraiment chaque week-end, il arrive à s'en sortir. Il a un bon projet. Lui, en tant qu'un frère, ah, je suis vraiment fier de lui. Omar Samna a pour ambition de monopoliser le marché de décoration événementielle de la capitale. Pour lui, on doit toujours rêver grand. C'était le portrait du jeune décorateur Omar Samna avec Samira Rouafi. cher auditeur, clôturant notre playlist du jour avec le titre Ali du groupe Étoile de Zango. C'était le titre alibio du groupe Étoile des Ongos. Alors, Abby, de quoi parle le loti du jour De la consultation prénatale Fanta, une étape importante pour la santé de la mère et de l'enfant à naître. C'est pourquoi les médecins recommandent aux femmes enceintes de fréquenter les centres de santé intégrés. Écoutons cette discussion entre Maria Madé et Samira Rouafi. Affairage, affairage, affairage, affairage. <laughs> Bonjour Ramou. Wa alaykoum comment tu vas Je vais bien et la famille Tout le monde se porte à merveille. Les enfants sont partis en vacances chez leurs grands-parents et leur papa est parti au travail. C'est pourquoi la maison est si calme. Je comprends beaucoup, mais pourquoi tu es si sereine <laughs> ah bien sûr, il faut de temps à autre se reposer, ce qui n'est pas chose facile avec les enfants. Mais tu le sauras très bientôt. Comment ça se passe l'évolution de ta grossesse Dieu merci, ça avance bien. C'est juste que dernièrement, j'ai l'impression que mon bébé ne bouge pas assez. Comment ça Est-ce que c'est les médecins qui t'ont dit ça J'espère que tu es parti te faire consulter. Ah, mais c'est à toi que je m'adresse, non En fait, ce que... <tsk> Je sais même pas comment te l'expliquer. Tu vas te décider à parler ou bien Je n'ai jamais été en consultation. Ah, tu peux répéter je crois que je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu me dis là Je n'ai fait aucune consultation. En somme, je n'ai jamais vu le docteur depuis que je suis enceinte. Non, tu dis ça pour me taquiner, j'espère. C'est la vérité, ma copine. Depuis que j'ai fait les tests de grossesse, je ne suis pas allée voir un médecin. Et je peux savoir quelle est la raison Parce que mon mari refuse que j'y aille. Non, je te crois pas. Pourquoi te mentir Au début, il disait qu'il ne voulait pas d'un gynécologue homme. Et lorsque j'ai pu trouver une femme, il a catégoriquement refusé. Je ne pense pas si toi et ton mari mesurent l'ampleur de votre acte. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux que suivre ses ordres. Donc tu vas suivre ses ordres, même si cela peut te mettre en danger et mettre en danger la vie de ton enfant. Comment ça mettre nos vies en danger Oui, comme tu l'as entendu, ne sais-tu pas que les consultations prénatales ont une importance capitale Explique-moi ma copine. C'est avec les consultations que l'on fait le suivi de l'évolution de ta grossesse. Avec ces mêmes consultations, on suit l'évolution de ta santé et celle de ton enfant, sans oublier que c'est grâce à ces consultations qu'on arrive à prévenir les complications qui peuvent survenir lors de l'accouchement. Aïe, tout ça Oui, les femmes enceintes doivent être régulièrement consultées afin d'éviter certaines complications telles que l'anémie, le paludisme et c'est grâce aux consultations que l'on prévient la transmission mère-enfant du VIH et beaucoup d'autres maladies. Et ces consultations se font souvent chaque mois ou bien chaque trois mois selon les médecins. Je comprends mieux ton inquiétude. Je me rends compte de notre erreur. Il ne suffit pas de comprendre, mais de réparer. Tu dois immédiatement te rendre en consultation. Même après ton accouchement, tu dois aller faire les consultations postnatal pour le bien-être du bébé. Même après l'accouchement Oui, il est très important de suivre l'enfant afin de respecter le carnet vaccinal et aussi suivre l'évolution de l'enfant afin de prévenir la malnutrition et plusieurs autres maladies infantiles. Merci pour ces éclaircissements, ma copine. Je m'en vais de pas convaincre mon mari de me laisser y aller. Je t'en prie, c'est la moindre des choses, ma chérie. pour ce loti qui aidera plus d'une maman. Alamine Ouachar vient juste de nous rejoindre dans ce studio pour la rubrique culture linguistique. Bonjour Alamine. Bonjour euh, Fanta, bonjour euh, Rabi. Et le mot de la semaine, c'est noyade. Noyade. Noyade, c'est euh, un noyade, net ala de madir بروا نسينا يشوف تاتين تامان يعني لامزان تاما وين دا فلاسة دغا أرتوى قلن تسيت ندني تكاسزل ننو يل مسالة شيلة تنتين تاتوى كاسا دغتلي تنفري لنواتي وان شنك متسنة تمر وين ديان دغا تغيمي تاتيجة ندنيت دغا أكين نواتي إتي وكاسا سنة تمرت سموز داتلي تنشيي زلوي توكس ينو كودي المسالتا دغا ديال تودا زنان المعنى النوايات يعني تفرت انت فرانسيس تمر المعنى نيت الا ما زواتا كينا معنا اويدم ونصين شوف فلاس استوس ودم لا تمرتم كوانا كان اللي انت الحادث انشيلاتون وين اما لا دي غين تات تاتا كينا معنى ويدن المثال ازدي ازدي يغرم أه، انت دا تعطينا مانيتي دنيا اسي موساسا هان تاريتنا مان داتلت نوفمبر إيدك نكوزطما نكل أزمتين تشانا مان داك اللي نسن وين تنغالي غالين نعم وين دين تنغالي غالين دي دقا دي أوار مسار توا تصوهت أمرا انت دا اللي نمو دويتا وقفل جنة ويقلن إنو كود يتاتينا مانيتي دن هو اللي اندا تمرتن كوانا كان يتي دن وين هانين يلغلاغ نامان دغاديا زانانو تفرتا نوايادا تلا المعنى هو اللي تفرتا تقلتا اما تنيني تنيني يعني لا مازنتان فلقنا ويقلن هو اللي نيتي لو مورنا السنة شوف لا تمر توا نكونا كان تمر توا نتصنفوت نتغري انت دا فلقنا ويقلنا را تموين تا كان صفن ورنا السنة شوف تاجزنا رتن غزران دا قنتا تنام دامنا فانتا درابي تو دامنا استفرتا لمازنا ما نستان فرانسيس نوايات انت دا, دا. Merci à la mine d'édifier nos auditeurs en tamashek. Et justement, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser vos messages vocaux ou écrits au 82 89 89 64. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. انت ما شقتهن المكان كويس والله قلت الله في الشرطة الله والله تقرأت أنا أقول لها راجوك لهم وما نكم سسمني ساري أمر ده ولكن إم سسمني سيارة أنا أمر لهم بكو أدفلينجي إبراهيم dubakar da maka hanna yan nasan hasa cire mi cire merin banku ko sun tare da masu sam na rajo waje sasa maza mu le taraka rajin banku ko kullun sasa ya rajo kolongo assalamu alaikum assalamu alaikum ni ce kan dan sarki dogon duci Sai dai kalan muna gaida ku kuma muna jin daɗin abin da duk kuka yi nan. Ina muku fata alheri ina muku gaisuwa da fata alheri. Mu dai na masu sauraron ku dare da rana kuma da na marece karfe biyar. Muna sauraron abin da kuka faɗi. Muna bi kusa da kawa Ta shirye-shiryen tarbiyyar nan da kuka ta yi da bisa ga hilin sa yara makaranta da bisa hilin yara ƙanana bisa ga wajen uwaye kuma da hilin da kuka yi na matasa duk muna nan muna sauraron ku da balkisa da hawa ina gaida ku studio kalangu sai an yi wani muhawara wallahi na ji daɗin ta na ji muhawara wajen tawa kuma na ji daɗin ta na ji muhawara wajen agaras kuma na ji daɗin ta kuma na ji na talibiri kuma na ji cikin yamai na gode Allah saka alheri anak sala aka da zawadin taqzirinde karci tumzgda ta hamada nisadar gana sumugnu tiri wa ta tatagimne kullu gara grazana tan martna wa ta na duwar ta na gotni ne asane nasane natiyane merar to yin ne yimfana nikni wayza shiritan dade grazana tar khwan ne bi da majakan saktana da sanin marawanna ta da na datena nagashi na kuma na taftana sanet nijar ganti modur دين كان رادي بتنشن نبدا كني سلام كلونغو تبارك الله أطيبق قند دسنا تسلي قصا كما سمو كنسان يي سلام كما لنا المغنى ورقي بيه يو أطار حمون النادي ما شغان أرواد تبارك الله تدكل نقن بقراس عن يو تنام زليا تزدي التاريخني كلونغو تا كله ركت من التاريخني تم قيمة هو لغنا بوتا لي دخاي دارات أدربي سنة Je réponds au nom de Haroun Bolmaïseni, surveillant général à la retraite à Balaya. Je suis presque régulier vraiment pour les émissions de Kalangou. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans les émissions de Kalangou, euh, c'est tout le cadre du droit là. Droit, les euh, devoirs. Parce que quand on parle de devoir, c'est qu'il y a de droits. J'ai fait la découverte de Kalangou il y a des années à travers euh, notre radio locale que nous avons ici. Et alors, après ça aussi, quelqu'un m'a facilité aussi l'accès à Kalangou. La petite sœur, Madame Goji chronique juridique. Mes salutations vont à un de mes amis aussi, qui est conseiller pédagogique ici, et Saline est présentement à Filingue. Salutations vont aussi vraiment à l'ensemble du personnel officiel de la radio lol Baleara. ni ne hassan muhammad tayar dijan dogon dutse bisa ga haraka ta studio kalangu mu gaba ta kai mu faduwa ta tazo daidai da zama me yasa ni ce hakan ga gaskiya duk emission kin da suka yi ka gani sun ɗebe haki su haɗi da horanci su haɗi da hausa su haɗi zaranci su haɗi da hillanci su haɗi da buzanci alhamdulillah kuma duk abin da aka cikin niger studio kalangu in muka saurara na on zarkin nan ba midi kasar na disatar sabon duka kowane labari kana samu kuma surtu labarin da ga kara matsamin saurari cikin studio kalangu sensibilization waye kai kuma da bisa ga haraka ma'aikata hannu suna interview suna kula da ma'aikata hannu da yawa gaishe gaishe eh, ina gaida umar ali president club eh, murya arewa dogon dutse ina gaida duka 'yan club na karkara dogon dutse kama da argum da keshe da lillato tagwan da rijiyar sauna kai duka dai alhamdulillah matankari lahiya la ina gaishe su sai Bubakar Mekigudu, maire de la commune urbaine de dogon duci que nous qui sommes ici à l'intérieur, Nous n'avons pas de disposition, par exemple, comme la télé nationale ou la radio nationale. Donc, euh, c'est Studio Kalangu qui porte loin nos voix. Et donc, euh, pour ça, vraiment, nous les remercions parce que certaines de nos activités ou de nos actions sont vraiment diffusées à travers Studio Kalangu et ça donne un caractère national à, euh, ces, activités-là. Donc, vraiment, pour nous, ça, c'est très important. aussi, il y a le choix aussi des thèmes qu'ils débattent parce que nous aussi, nous nous enrichissons des autres émissions de Studio Kalangou qui sont faites dans les autres localités. Donc ça, c'est comme un échange d'expérience à travers le Studio de Et donc pour ça, je trouve que c'est vraiment très, très important. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Et c'est la fin de ces derniers numéros de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et Rabia Maikano. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous. À la technique, nous avons Mustapha Ayouba et Adama Dawaki à l'édition. Excellent week-end à tous.